le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum forum, studio forum, le forum 18 passé de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour décortiquer l'actualité de la semaine. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est grâce à notre réseau de radio partenaires, 31 au total, qui, qui diffuse en direct les programmes du studio Kalangou dans les huit chefs-lieux des région ainsi que dans une vingtaine de départements du Niger. Au menu du forum de la presse de ce soir, l'opération Ville morte d'hier jeudi 21 décembre, à défaut de la marche prévue par les acteurs de la société civile ici à Niamey pour protester contre la loi des finances 2018. Nous verrons comment s'est déroulée la Ville morte et la perspective de notre marche demain samedi, toujours à l'appel des acteurs de la société civile. À suivre également dans ce forum les analyses de nos invités sur la célébration de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre dernier à Tawa où a lieu la fête tournante où a eu lieu la fête tournante dénommée Tawa Sakola. Autre sujet d'actualité, c'est le rapatriement des ressortissants nigériens vivant en Libye. Il en sera aussi question dans cette émission. À ce jour, ils sont au moins 3000 personnes à avoir regagné le bercail. Nous aborderons également la question des préparatifs de la lutte traditionnelle au sabre national prévue se tenir à partir du 25 décembre à Zender. Enfin, la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron ici au Niger. Autour de la table pour en parler, nos confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Garé. bonsoir et Arimi Abba qui Kiari, journaliste à la radio alternative également avec nous. Bonsoir Ari. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Issa Mormadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Présentation de cette émission à Lassane Kouzi Mohamed. auditeurs et auditrices du studio Kalango, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la presse. Nous débutons ce forum par les mouvements sociaux. Comme vous le savez, les acteurs de la société civile ont appelé les habitants de Niamey à observer une journée ville morte hier jeudi 21 décembre 2017 pour montrer leur désapprobation avec certaines dispositions de la loi des finances 2018 qualifiée de loi antisociale. Une journée ville morte en lieu et place de leur marche interdite pour le même jour par la délégation spéciale de la ville de Niamey. Cependant, en région, il y a eu des manifestations dans le même ordre d'idées, notamment à Zender et à Tilaberi. Elle est déjà à présent au bilan en vue des perspectives. Euh, je commence avec vous, Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative. Comment vous analysez l'interdiction de cette manifestation de la société civile euh, jeudi par la ville de Niamey l'un des motifs avancés est le fait que le jeudi est un jour ouvrable. Non, mais ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Euh, je ne comprends pas euh, trop. Euh, d'ailleurs, les interdictions répétées contre des actions des syndicats ou des organisations de la société civile sous prétexte que c'est des jours ouvrables. La Constitution n'a pas dit ça c'est un droit constitutionnel. Et moi, je l'ai dit une fois ici déjà, je dis c'est euh, des pratiques de nature à aggraver la tension. Euh, une frange de la société dit qu'elle n'est pas d'accord. Des modes d'expression de mécontentement sont prévus par la Constitution. Je crois c'est de laisser tous les citoyens exercer leurs droits constitutionnels ça ne sert à rien. Si euh, c'est pas que les gens ont peur qu'il y ait une marée humaine, euh, parce que c'est à cela qu'il faut, que, que, que, c'est ça qu'un dirigeant peut craindre. Pourquoi interdire jour ouvrable, jour non ouvrable, les grèves Si tu les fais les jours ouvrables, euh, non ouvrables, ça, ça concerne qui on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Notre omelette, je dirais que c'est la Constitution. Et euh, pour, casser, c'est vraiment des pertes de temps de travail, c'est des pertes en production. C'est comme ça, c'est ça la démocratie. Il faut s'ouvrir dans sa chair euh, d'une frange qui peut te dire non à tout moment. Et moi, je pense que nos dirigeants actuels ont ce problème-là. Mmh. C'est ma conception de la chose. C'est ce qui s'est passé euh, avant-hier. Les organisations de la société civile attendent ce qui est appréciable dans un pays, à mon avis, ont déposé leur avis euh, de manifester, n'est-ce pas Il fallait tout simplement le laisser. Si on pense qu'il n'y a personne qui soutient euh, cette organisation de la société civile, la rue va le prouver. Voilà, moi c'est mon point de vue ça. Bien. Garé Amadou du quotidien La Nation. Qu'en pensez-vous de cette interdiction de marché hier jeudi moi, je pense que les autorités de euh, la, communauté urbaine de Niamey ont eu raison quand même de, euh, ne pas autoriser les marches qui se déroulent quand même les jours ouvrables. Parce que d'abord, la première chose, le Niger est un pays très pauvre qui ne peut pas se permettre le luxe euh, de, permettre que les manifestations se tiennent des jours ouvrables, alors que c'est un des pays qui, qui est classique, classique, pratiquement dernier de la planète. Je pense que si on veut marcher, si réellement on veut prouver sa force, au moment où tout le monde est à la maison, on peut mobiliser les gens. Les gens peuvent sortir le samedi. Le samedi, tout le monde est à la maison. C'est le jour. Donc, si vous voulez faire une manifestation, les autorités n'ont jamais dit qu'ils vous interdisent de manifester. Non, ils ont dit, eh, programmez ça un jour, un jour non ouvrable. Là, tout le monde est à la maison. On sait que tout le monde va venir. Mais pour ne pas bloquer l'administration, pour ne pas bloquer le fonctionnement de l'administration, ne pas bloquer le fonctionnement de l'État, moi, je comprends les autorités eh, municipales. C'est ce souci qui a guidé, en réalité. C'est pas autre chose. C'est pas la volonté d'interdire systématiquement. Non. Ils ont bien précisé. Ils veulent que les marches et meetings soutiennent les jours non ouvrables. Voilà. Euh, nous, Mais vous savez que la marche de demain aussi. Nous allons, effectivement, nous allons en parler. Arimi, nous allons revenir. Le temps de donner la parole à Issa Mormadou qui vient de nous rejoindre. Issa, bonsoir. Donc, euh, nous sommes par, euh, sur cette interdiction de marché pour le jeudi finalement, c'était une ville morte qui a une ville morte qui a été euh, demandée par les acteurs de la société civile. Euh, une première une première analyse pour cette euh, interdiction. Bon, écoutez, vous savez que la société civile euh, regroupée au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, dès l'annonce du début des mouvements de contestation, de protestation contre certaines mesures, parce que l'on dit la précision, il faut l'emporter chaque fois. Effectivement, c'est pas C'est pas toute la loi qu'il conteste, hein, mais sur certaines mesures de la loi qu'il conteste, qu'il trouve que c'est vraiment, c'est tout à fait trop lourd euh, du, coup, du, point de vue euh, financier pour les citoyens nigériens de pouvoir les supporter ces charges fiscales-là qui sont venues j'ai Vu, vu le contexte euh, euh, économique un peu difficile à l'échelle internationale, que ce n'est pas seulement au Niger. Mais vous savez, ils ont déjà dit que au cas où la manifestation va être interdite, ils ont une double action. La deuxième, c'est euh, un plan B, c'est d'appeler à la ville morte à Niamey c'est ce qui a été fait. C'est parce que c'est l'amalgame. Parce que moi, je pense que c'est eux-mêmes qui ont mal communiqué. C'est à, à Niamey que parce que quand vous voyez à Tilabérica, que ça a été interdit, ils ont attaqué. Ils ont attaqué la décision. finalement, ah, ils, ont, Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui, cette série d'interdictions, c'est pour cela que quand on prend certaines décisions au niveau des gouvernements, il faut faire extrêmement attention pour ne pas vraiment se retrouver dans une situation de dictature ou bien de non-respect des dispositions constitutionnelles. C'est ça qu'il faut éviter. Vous prenez une décision pour interdire. Alors, vous avez interdit, mais donnez vraiment, est-ce que c'est cela, les manifestations vont empêcher les Nigériens de travailler Non. C'est juste parce que quand les gens manifestent, c'est leur droit de manifester, de protester, de, de, manifester leur mécontentement face à une, à une situation bien donnée. Mais les interdire sous le fallacieux prétexte que non, c'est des jours ouvrables. Moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas continuer à violer les propres lois qui régissent notre fonctionnement. Quand on est président d'une institution, on a des lois. C'est qu'il faut les lois du, pays qui le, régissent. Donc, c'est pour cela que, y compris que ce soit acteur, y compris les dirigeants, il faut que chacun comprenne que la loi fondamentale ne devrait pas être piétinée à tout instant. Et au Niger, qu'est-ce qu'on remarque on s'en fout depuis, excusez-moi du terme, depuis un certain temps de la loi fondamentale que les Nigériens se sont libres, ouais, que la constitution que les Nigériens se sont librement donnés le 25 octobre, qui a été promulgué le 25 novembre 2010. Et, effectivement, en perspective de la marche interdite euh, euh, pour hier, j'ai dit, euh, les acteurs de la société civile ont reprogrammé cette marche pour demain samedi. Cependant, cette marche aussi a été interdite par les autorités de la ville de Niamey. ce qui ne comprend pas Ali Idrissa, membre du collectif des acteurs de la société civile, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Il faut d'abord rappeler que la première interdiction, c'est-à-dire la marche du 21, dans l'arrêté, l'administrateur euh, délégué de Niamey a bel et bien précisé qu'on peut choisir une autre date, notamment pendant les week-ends. Ce qui fut fait, nous l'avions pris au mot et nous avions eu à introduire une lettre l'informant que nous avons bien reporté la marche du 21 pour la ramener au samedi 23 avec même itinéraire. Et malgré ça, ce même administrateur nous renvoie un autre arrêté pour dire qu'il interdit à cause des délais. Mais voilà contradiction. Nous, nous sommes restés dans la première logique de la première manifestation reportée. Il ne s'agit pas pour nous d'introduire une nouvelle requête. C'est pour ça que nous avions décidé au niveau des organisations de la société civile de maintenir notre manifestation pour le samedi 23 à partir de 8 heures avec comme itinéraire place tout le monde, place de la concertation devant le Parlement vous venez vous venez d'écouter euh, donc Ali Idrissa, membre du collectif des acteurs de la société civile. Alors Gary Amadou, tout à l'heure, vous étiez en train de, euh, dire que en fait les autorités avaient interdit euh, cette première, la première fois la marche parce que c'était un jour ouvrable, il fallait éviter de, de, bloquer les services publics. Finalement, ils ont reporté pour le samedi, une fois de plus interdite. Oui, certainement que c'est lié par exemple à l'arrivée du président français qui arrive au Niger aujourd'hui et qui va, effectuer deux jours de, visite au Niger. C'est pour ça, pour des raisons euh, de, sécurité, euh, les gens n'ont pas voulu euh, laisser à ce que la manifestation. Ça me rappelle une, histoire qui s'est passée en 2007 à l'époque de Nicolas Sarkozy, quand Kadhafi était venu en France. Les Français, les Français voulaient eh, marcher, n'est-ce pas, pour protester contre l'arrivée de Kadhafi. Sarkozy a dit non, vous ne marcherez pas. Ils sont sortis la police a fait son travail. Et c'est-à-dire que euh, euh, l'autorité municipale a des motivations qu'elle peut avancer mm. pour interdire. Maintenant, ce, que, j'ai dit, c'est comme ce qu'a dit l'autre là, euh, Issa Madou tout à l'heure. Quand, maintenant, vous avez vu qu'on a interdit la manifestation de, demain, mais ils n'ont pas, comment on appelle ça n'ont pas, porté plainte au niveau du juge des référés. Comme ça s'est fait au niveau du Ténabéré, ils ne l'ont pas fait et ils décident de maintenir. Moi, ce que je veux, c'est que les gens s'assument. Parce que quand vous, quand en tout cas, ce qu'il faut noter, euh, c'est que le motif avancé cette fois-ci, c'est plutôt un motif, euh, euh, délai. Ils ont parlé des délais. Voilà. Donc ça aussi, c'est justifiable. Si c'est pas justifiable, vous attaquez au niveau de la justice. C'est comme ça que dans un état de droit, ça marche. Ce n'est pas en faisant du bruit sur les ondes de médias. Non. Parce que les gens qui la bérie qui ont compris, apparemment, qui sont plus, plus instruits que ceux de Niamey, ont, ont porté plainte et et ils ont, ils ont attaqué la décision et le juge leur a donné, leur raison. Mais ici, non, non, non. On veut faire la tête dure. On veut, malgré que c'est interdit, on veut marcher. Et eh bien, moi, ce que je veux, c'est que ceux qui appellent les gens à marcher, qu'ils soient devant. Il ne faut pas que les manifestants acceptent qu'eux, ils soient au milieu de la foule. Non, non. Qu'ils soient devant, n'est-ce pas, pour conduire la manifestation et qu'ils s'assument. Parce qu'une marche non autorisée, s'il y a des débordements, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a une loi de 2004 qui est extrêmement sévère, qui a été votée par, euh, qui a été, en tout cas, une loi qui a été votée à l'époque de Hamamoudou, qui est extrêmement sévère. Donc, faites, extrêmement attention. Moi, c'est tout ce que je dis. Il ah, il faut aussi non. Ah, ah, quelque, quelque, part, euh, Avant de d'arriver, euh, juste, je vais ajouter quelque chose que vraiment on se trouve dans une situation inquiétante. Parce que quand vous voyez les lettres d'interdiction, mais on, on va se poser la question, mais qui, qui, qui sont ceux qui sont dans l'administration nigérienne Vous Pourquoi? voyez Pourquoi Parce que on dit, quand on écrit, on leur dit que non, c'est juste parce que c'est jour ouvrable. Vous pouvez reporter. Les gens reportent maintenant, on amène un autre, mais attendez, les actes administratifs on doit les faire d'une manière très réfléchie et responsable. C'est ça vraiment qui, amène aujourd'hui. Nous allons, nous allons, euh, nous allons passer cette, <laughs> passer, euh, cette polémique pour, pour savoir exactement la ville morte qui a été euh, organisée hier, Rimi Abba. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette ville morte a, réussi à, à je pense que c'est mitigé, n'est-ce pas Par exemple, dans des endroits aussi important que le grand marché, euh, ça a marché. Il y a des endroits où ça n'a pas marché. Mais ce que j'ai dit, ceux qui nous gouvernent et ceux qui les soutiennent, quel que soit ce qu'ils posent comme acte, l'histoire ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper. On ne peut pas, au nom de la Constitution, les gens vous respectent, au nom de cette même constitution que vous ne respectez pas, c'est ça que vous brandissez quand les gens manifestent. Il ne faut pas qu'un dirigeant soit provocateur. Moi, c'est ce que je vois dans les actes que les autorités de la, ville de Niamey, c'est de la provocation. Parce que, écoutez, les, soit, souvent ils disent ceux-là qui ne sont pas élus, mais ils ont une base derrière euh, eux, qui que ce soit, parce que quelqu'un qui appelle et qui peut mettre dans la rue 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes, on ne peut pas le négliger dans un pays. Mais on veut comme si c'est des vauriens, n'est-ce pas, qui n'ont pas droit au respect minimum que la Constitution garantit. On dit non, vous faites pas ça, vous faites ci, vous faites, tu fais le ci, on te dit non. Mais dans quel pays on est Moi, je vous dis sincèrement, que ceux qui les soutiennent et eux, les actes qu'ils posent, vraiment, dans un pays, on peut décider de ce qu'on va faire. Mais les conséquences de ce qu'on pose, on ne sait jamais là où ça peut mener. Et quand on est responsable, c'est à soi-même de respecter avant n'importe quelle autre personne. est-ce que vous croyez en cette lutte des acteurs de la société civile pour faire fléchir justement les autorités par rapport à cette loi Non, les, autorités, les autorités n'ont aucune intention, euh, ça se voit, de fléchir, n'est-ce pas Mais le jeu démocratique aurait voulu qu'on donne la possibilité aussi, n'est-ce pas, sans brandir la police, n'est-ce pas, qui, qui, est mise en place grâce à l'effort de tous les Nigériens, n'est-ce pas, sans dire que la police va battre ceci, bah celui-ci va l'arrêter, la loi ceci n'est-ce pas, laisser l'exercice de la démocratie se manifester. Moi, c'est ça que je veux. Nous allons passer euh, au, deuxième sujet du, forum de ce soir, notamment la célébration de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 1958. Dénommée fête tournante, cette proclamation célébrée chaque année dans une région du pays pour permettre de doter euh, ces régions en infrastructures de tout genre. Cette année, c'est à Tawa, région de l'Ader, qui a lieu cette fête dénommée Tawa Sakola. Environ 100 milliards de francs CFA ont été investis pour euh, donner à Tawa un visage nouveau. Tawa Sokola a vu la participation de cinq chefs d'État membres des pays du G5 Sahel alors, euh, Garé Amadou, quelle appréciation faites-vous de la préparation de l'organisation de la fête euh, tournante de Tawa, Tawa Sokola Vous y étiez, vous avez préparé. Permettez-moi, avant d'attaquer cette question-là, quand même, de faire une critique par, rapport à la gestion de votre temps, les questions que vous posez, parce que vous permettez à d'autres de répondre à plusieurs questions que vous lui posez. Nous, vous ne permettez pas de répondre. Donc, c'est une critique directe que je vous fais là sur ce plateau-là. Merci. Parce que vous avez demandé, est-ce que, comment, est-ce que, qu'est-ce un des invités pense de la manifestation, euh, de la ville morte et vous ne nous avez pas permis de, de, de parler. Maintenant, donc, je fais, je fais cette critique-là pour que les téléspectateurs puissent savoir. vous, avez parlé auditeurs. Sakola, vous avez parlé de oui, les auditeurs. Vous avez parlé de Tawasakola. Sakola. Euh, j'y étais, effectivement. Euh, on a passé une dizaine de jours là-bas et la fête fut extrêmement belle. Et la ville a complètement changé. C'est-à-dire que ceux qui vont partir à Ottawa, je les invite à visiter les infrastructures qui ont été, les rues qui ont été construites. Franchement, vous allez savoir que vraiment des investissements ont été faits. C'est vrai, les chantiers sont inachevés. Ça, c'est indéniable. Beaucoup de chantiers là sont inachevés parce que les chantiers ont été pris en retard. C'est à mars que le comité a été, a été installé. N'est-ce pas Ils n'ont pas eu assez de temps pour, euh, euh, pour faire tout. Mais malgré tout, en un laps de temps, si vous avez vu les travaux qui ont été faits, mais c'est franchement formidable. Et puis le défilé militaire, comme d'habitude, était exceptionnel. Bien. Euh, Issa Madougou, votre appréciation de, la fête tournante de Tawa Bon, écoutez, comme les autres fêtes, moi je pense que d'abord, euh, moi je salue l'initiative de faire tourner. Mais quand même, c'est dans la gestion qu'il faudrait avoir. Pour Tawa Sakola, pourquoi je suis un peu optimiste euh, Le président du comité avait promis quelque chose qu'on attend aujourd'hui à ce qu'il le fasse. C'est quoi Auditer l'organisation. Et cela va permettre les autres fêtes tournantes qui a eu où il y a eu les gabégies là, on va savoir réellement qu'est-ce que les gens ils ont fait. Je vous assure, ici vous avez parlé de 5 milliards. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas le budget, mais quand même, selon les, sources proches du comité, ça n'atteint pas 5 milliards. Et c'est la seule fois où ils n'ont pas, pas dit que c'est seulement cette pays. Ils ont échelonné le programme de construction de dotation de la ville de ce trois ans. Voilà, vraiment, j'apprécie un peu la qualité du travail abattu par le comité. Parce que eux, ils ont été conscients que vraiment promettre dans un coup de temps, vous ne pouvez pas quand même faire surgir des immeubles et des gratte ciels mm. en, quelques mois. Ah, ils ont été vraiment réalistes par rapport aux moyens qu'ils disposent et ils ont pu faire un travail qui a pu être apprécié par les uns et les autres. Parce que, pour moi, pour avoir une très claire idée, j'ai pas été à Ottawa, mais j'ai regardé les autres télévisions de la sous-région dont les chefs d'État ont participé et j'ai vu les reportages qu'ils ont fait. Je ne me suis pas contenté de suivre aucun média ici pour voir ce qu'ils sont, ils sont en train de dire. Mais j'ai voulu avoir l'appréciation des autres qui ne connaissent pas le Niger, mm-hmm. qui sont venus pour la première fois. Et même le président malien euh, lui a dit, il a dit que lui n'a jamais été à Ottawa, mais quand même, ce qu'il a pu voir, même s'il y a des trucs qu'il n'a pas pu achever, qu'il ne sait pas, mais quand même, il apprécie l'initiative parce que cela démontre que euh, il ne faut pas toujours que nous soyons campés sur notre capitale euh, administrative et politique. Il faut donner l'occasion aux régions de se développer et de les vendre du point de vue touristique. Et aussi, aussi le faire découvrir au monde qu'un pays, ce n'est pas seulement la capitale. Et c'est ce qui fut fait. ce qui fait. Armi votre appréciation de Tawasakola, une réussite oh, oh, euh, J'ai vu ça, j'ai suivi ça à la télévision seulement, n'est-ce pas Mais euh, du point de vue programme, j'ai vu que c'est le même programme euh, que les autres. Et d'ailleurs, au plan culturel et sportif, c'est nettement en deçà que Dosso-Soga, par exemple. Mm. Euh, j'ai vu aussi des reportages sur les routes et autres qui sont construites. Ce n'est que euh, vraiment une très bonne chose pour toutes les capitales euh, régionales de notre pays. Nous l'avons dit depuis que le président Tanja a mis en place euh, cette démarche-là. Je trouve que en tournant justement, on peut euh, renouveler les infrastructures, en construire d'autres. Mais à mon avis, avec les moyens tout à l'heure, Garé disait que c'est un pays pauvre. Justement, c'est dans l'appréciation des dépenses qu'il faut vraiment euh, avoir, parce que 100 milliards, peut-être ça n'atteint pas, peut-être que c'est 80 ou 90, c'est énorme pour notre budget. 100 euh, milliards, c'est pratiquement euh, le dixième de notre budget réel, qui ne dépasse jamais les 1000 milliards en réalité. on aurait pu s'occuper de la voirie humaine, urbaine, urbaine, de la voirie urbaine, n'est-ce pas, et on est dans un pays où on n'investit pas un milliard dans la culture dans l'année. Mais là, pour une fête d'une semaine, on l'investit. On n'investit pas un milliard dans le sport dans l'année. Mais là, pour une fête tournante, on met 90 milliards. Je pense que les dépenses bien agencées, euh, cette pratique peut être très porteur pour notre pays, notamment en créant, par exemple, une agence ou donner plein pouvoir euh, euh, au truc des grandes euh, comment grandes grande manifestations ou quoi là le coach. le coach en lui donnant plein pouvoir en mettant les personnes qu'il faut créer un système qui va être vraiment euh, pérenne n'est-ce pas et très facile à suivre dans le, dans le temps. Il ne s'agit pas d'amalgamer comité d'organisation, ministère, gouvernorat. Non, on peut faire quelque chose de très serein et qui, qui va amoindrir les coûts. Il n'y a rien à faire que les coûts sont exorbitants. On est, c'est joli ce qu'on fait, mais c'est la même chose que euh, les, échangeurs et autres qu'on construit. On n'a jamais dit que c'est inutile, mais qu'on peut faire mieux avec les ressources là, moi je suis certain. Le minimum. Avec moins, on peut faire mieux. Gary Amadou, Arimaba trouve que malgré, le bien fond, malgré le bien fondé de, cette fête tournante et tous les biens que qu'on voit, euh, les dépenses sont quand même énormes pour un pays pauvre comme vous, l'avez si bien dit. Vous vous étiez là-bas, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des grandes infrastructures auxquelles euh, euh, dont Tawa a justement pu bénéficier et qui peuvent justifier justement de telles dépenses? Oui, mais euh, je vous dis que les chantiers ne sont pas finis. Vous ne pouvez pas me demander de faire un bilan alors que les chantiers ne peuvent pas finis. Il faut bien écouter ce qu'on est en train de vous dire. Les chantiers, il y a des chantiers qui sont en construction. Tawasakola, ce n'est pas fini. Il y a eu la fête. La fête, ce n'est que la partie, festive là. Ce n'est rien. En, réalité, les milliards là, c'est les infrastructures dont la ville sera dotée. Ces infrastructures là, maintenant, il y a des ronds Il y a des monuments, au niveau de ronds-points. Il y a la résidence du gouverneur. Il y a une grande route de l'entrée de Tawa jusqu'à la résidence du gouverneur qui est pavée, entièrement pavée, qui est électrifiée, mais extrêmement belle. la, la place du défilé, mais c'est extrêmement joli, vous ne pouvez pas savoir extrêmement. C'est pavé, il n'y a même pas une, goutte de sable. Tellement un village artisanal également. Et eh, eh, eh, effectivement, le village artisanal, je n'ai pas eu le temps de le visiter, c'est vrai. Mais il y a des monuments au niveau des ronds qui n'ont pas été achevés. Vous comprenez Ça, au moins, j'ai vu, qui n'ont pas été achevés. Mais parce que, comme pour les autres fêtes qui sont déroulées dans les autres régions, la fête finit le 18 décembre, mais la construction des infrastructures continue. En réalité, il ne faut pas voir les, la, soirée culturelle. Il faut avoir la précision. Hein. tous les autres comités, personne n'a dit qu'ils vont. Euh, c'est le euh, seul comité qui a pu vraiment vendre aux Nigériens que eux, ils ne sont pas dans le court délai. Tous les investissements qu'ils euh, vont Il Ouais. Euh, Issa vous souffrait que je puisse profiter de mon temps de parole pour pouvoir exprimer mes idées. Mhm. Donc, ce que j'ai dit, euh, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la, fête ou la soirée culturelle. C'est vrai que sur le plan culturel, je suis d'accord avec Abba. C'est largement des ça de, ah ce qu'on avait vu. Oui, mais le jury, elle a même dit. Hmm. Il dit que la qualité est très mauvaise. Le jury l'a dit à la soirée culturelle. la qualité est très mauvaise par rapport aux autres. Parce qu'il y a des compétitions pour lesquelles ils n'ont pas voulu donner les prix. Vous avez vu hmm. Donc, mais j'ai dit au-delà de la fête, ce qui compte, le principe de cette fête tournante-là, même quand, quand il avait instauré là, c'est le fait que la capitale ne soit pas le seul endroit qui brille, que les régions puissent être dotées d'infrastructures et, qu'ils puissent profiter des dividendes de, de, la croissance. Parce que le Niger a un taux de croissance de 5,2%. Et on espère, selon les prévisions du FMI qui ont été faites récemment, le Niger compte avoir un taux de croissance de 5,7%. C'est important ça. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui dans le monde. Le Niger fait partie des rares pays qui ont ce taux de croissance-là. Donc, j'ai dit, quand on a ça, il faut essayer de faire en sorte que les régions puissent profiter de ce développement-là. Et c'est ça le principe de la fête tournante, même quand elle, quand elle avait instauré. Et vous allez voir, le président, il se va descendre, le président qui va lui succéder va poursuivre, et à la fin, on va se rendre compte d'ici 20 ans, les villes seront extrêmement belles. En tout cas, les capitales régionales seront extrêmement belles. C'est ça qui est important. Euh, Gare, si on vous demande de faire une comparaison par rapport aux autres fêtes qui euh, tournent, notamment Sokni à Agadez et Soga de Dosso euh, et Sakola. Oui, Sokni, j'y étais pas. <laughs> j'ai vu les, images, en tout cas, j'ai vu des photos. Voilà, je n'étais pas au Niger. Euh, soga, je n'y étais pas aussi. Voilà. Kolia, j'y étais. Eh voilà, ça, j'y étais. Et, effectivement, Maradi aussi a bénéficié d'importantes infrastructures. Mais je vous assure que euh, euh, toutes les villes il n'y a aucune différence que vous avez pu remarquer. Euh, Mais ce pas les mêmes comités et ce n'est pas forcément les architectes qui participent à l'élaboration des projets d'embellissement des villes ne sont pas les mêmes. Vous comprenez Peut-être que pour au niveau des ronds-points, c'est vrai, certaines personnes ont été maintenues, mais je vous dis, dans l'ensemble, le, but essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la fête tournante vise à faire en sorte que les capitales régionales puissent profiter des dividendes de la croissance et qu'elles puissent se développer, en tout cas qu'elles puissent mm. donner une nouvelle image. Issa Madougou, est-ce que vous avez remarqué... Euh, euh, un point, une différence euh, par rapport aux autres événements Il faudrait, c'est-à-dire, on dit que l'objectif c'était de rendre un peu euh, le cadre de vie de ces, capitales régionales agréable. Mais il faut aussi inculquer aux citoyens nigériens, surtout le Nigériens. nous, nous sommes des négligents le, entretenir la chose publique, nous, vraiment, on est trop en retard au Niger. Parce que quand vous voyez un peu à Dosso, Soga, les infrastructures qui ont dont la ville a été dotée, quand vous repassez maintenant, vraiment, c'est inquiétant. Et je ne sais pas à quoi joue la municipalité aujourd'hui qui est censée vraiment donner. Mais il faut, il faut avoir des initiatives innovantes pour entretenir ces lieux. Quand même, vous pouvez promouvoir vous-même peut-être des spectacles qui peuvent vous euh, faire entrer de, l'argent. À travers cette somme, vous pouvez aussi les entretenir. Mais quand même, j'ai dit, Tawasakola. pourquoi j'ai dit je suis très optimiste Parce que Tawasakola, quand on va voir le bilan de l'audit là, c'est les autres régions qui ont bénéficié. Donc, par exemple, quand vous prenez Dosso à Kolia en passant par Sokni, ce que moi j'ai vu, Tawasakola semble être euh, euh, l'édition où on n'a pas fait le des, des, des, trucs, des investissements de démesure. On a juste pris le président, il l'a dit. Il a dit que lui, il ne veut pas engager quelque chose qu'il ne peut pas finir dans le temps. Mais quand même, comme c'est un programme qui s'étale sur trois ans, on va faire ce qu'il devrait faire pour les festivités. Mais ce qui devrait être continué va être continué. Hmm. Mais maintenant, son audit va permettre, par exemple, quand vous prenez Colia, mais Colia, mais c'était la KPJ là-bas. Il faut qu'on sanctionne. C'est pour cela, moi, je dis, je suis très optimiste, parce que quand on aura l'audit de Tawasakola, euh, on va demander le compte pour les autres, parce que Maradi, pour Maradi Colia, ça a défiguré même la ville. L'année passée, vous, vous êtes des reporters, vous avez vu lors des inondations que ces infrastructures ont, occasionné dans la ville. C'est parce que les gens ont pris l'argent public. Ils ont, ils ont détourné l'argent public. Ils n'ont pas fait un travail vraiment acceptable. Ils ont pris l'argent, ils se sont volatilisés, ils ont juste amené du goudron et quelques mhm. matériels pour faire. Mais comparativement, moi je pense qu'il faut attendre l'audit. Et c'est là qu'il va nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui a été tellement fait. Mais le président, il dit que les 100 milliards, là, il ne faut pas que les gens se... Moi, je... Oui. Moi, je, l'ai écouté. Il a dit non, que ce n'est pas que les gens parlent de 100 milliards. Mais quand même, il faut être raisonnable. C'est que ce sont ses propos. Il dit c'est 33 milliards pour l'instant qui a été utilisé. Mais les autres, peut-être que c'est par après que ça va venir sur, les, sur les trois ans. Trois ans à venir. Euh, Arim, si vous n'avez pas de complément par rapport à ce sujet, nous passons euh, au, suivant sujet. Non, moi, je suis, je suis en train de voir euh, tout haut comme ça cette histoire où un chantier commence, il faut le poursuivre pendant trois ans. Avant ça, il y a un autre qui va venir, s'ajouter. Est-ce que peut-être qu'il ne faut pas revoir la périodicité de, la périodicité euh, de ce genre de fête Oui, on peut faire une fête normale un an sur deux et une deuxième année on peut faire quand même quelque chose d'un peu plus grandiose. Ah, et puis je ne suis pas très d'accord de la manière dont c'est fêté. C'est d'abord ça, de la même manière que euh, de la période euh, après les, indépendances, mais aussi on se euh, on, veut tricher un peu ce qui se passe en France, n'est-ce pas Alors qu'on n'a pas les mêmes moyens. En faisant hein? En faisant des défilés, en faisant. Oui, c'est joli. Oui, c'est joli. Mais qu'est-ce que ça nous coûte pour faire tout ça Est-ce que c'est ça Issa Madougou disait que la population ne prend pas soin des biens. <coughs> Est-ce que c'est des choses qu'ils ont demandées ou bien on a réfléchi à leur place pour leur imposer C'est ça aussi. Parce que quand on ne participe pas à la, conception euh, on vient, on met à ta disposition, c'est pas évident que tu prennes soin. Et surtout, à te satisfaire à quoi Les villas qu'on construit en grand nombre euh, à Dosso, mais c'est un gâchis. Si on avait construit, comme du temps des cinquièmes jeux, des villas et qu'on a cédé aux, ressortissants de ces localités-là, n'est-ce pas, avec des paiements échéanciers, euh, avec échéanciers et tout, ça, ça peut être quelque chose d'extrêmement bien. N'est-ce pas Mais ce n'est pas, on veut faire, c'est-à-dire on communique, on veut faire pour qu'on dise ce qu'on a fait. Bien, Arimi, nous allons passer au suivant sujet, notamment la question de rapatriement des Nigériens vivant en Libye. Euh, on a vu que ces rapatriements ont survenu au lendemain des de révélations de vente de migrants noirs comme esclaves en Libye. Euh, à ces jours, le Niger a fait acheminer au, au moins 3000 personnes euh, donc vivant à Libye qui sont déjà rentrées euh, au Niger. Euh, une analyse sommaire d'abord du, calvaire vécu par rapport à la Libye que les dirigeants du monde se sont entendus sur les dos des migrants et des citoyens ordinaires pour faire de la Libye un bourbier ou euh, on a créé les conditions pour que les gens aient peur, qu'on nous parle. Les Nigériens qui viennent, vos collègues sont venus, sont allés à chaque fois les interviewer. Il y a 3 000 Nigériens qui sont venus. Ils disent qu'eux n'ont pas été vendus, par exemple. N'est-ce pas Donc, et on les voit on les voit, il y a quelques blessés et tout, mais on voit l'écrasante majorité, façon ils sont habillés, façon ils sont à l'aise quand ils descendent de l'avion. Moi, je dis, nous, Nigériens, cela ne devait pas être notre combat. J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, un reportage sur une, télévision internationale où euh, c'est Natalia Mandosa sur, TV, sur France 24, elle a prouvé que l'Italie donnait 5 millions d'euros par mois aux groupes armés pour qu'ils s'occupent de migrants africains qui veulent passer. Et donc, ils ont eu les moyens d'aggraver la chose. Donc la Libye, c'est un bourbier qui a été créé exprès pour que d'abord aujourd'hui ton parent est là-bas, tu veux qu'il rentre parce que sinon euh, vous serez des esclaves parce qu'on va les vendre. Voilà. c'est cela, hein, il faut faire attention. On ne voit pas le droit des migrants qui vont continuer ou pas le droit d'aller et revenir. On a créé et l'Europe c'est un succès dans ce, dans ce, sur ce plan-là de l'Union européenne vraiment en matière de sa lutte effrénée contre euh, la, migration. La migration. Gare Amadou, vous êtes d'accord euh, qu'il y a un complot qui a été évoqué Ah non, je n'en sais rien. Mais ce que j'ai dit, euh, je n'en sais rien. Vraiment, je, lui laisse libre, euh, cours à, son affirmation. Mais ce que j'ai dit, c'est que, en fait, ce n'est pas le, rapatriement des migrants qui m'inquiète. Parce que, rendez-vous compte, les migrants qui sont rapatriés, ils vont retourner. Ils vont retourner à Libye. Ils vont, retourner. Parce que, eh, moi, j'ai eu la chance de causer avec certains migrants au niveau de, de Tawa, eh, qui étaient là en train de vendre des, des babioles, en tout cas des trucs, et qui, et qui vraiment, on les a rapatriés. Hein. Alors, ils sont venus avec des produits, des téléphones portables qu'ils sont en train de vendre. Et je lui ai demandé, mais tu es en train de vendre, c'est pour faire du commerce. Il dit, non, il va retourner. Donc, j'ai l'impression que c'est une opération un peu euh, de, de, de, communication, mais l'effet recherché ne sera pas euh, attendu parce que les gens, quoi que vous fassiez, ils vont repartir. Je vous assure, quoi que vous fassiez, vous repartez. Issa, Issa Madougou, quelle appréciation de cette décision de rapatrier les Nigériens vivant en Libye, de crainte donc de cette histoire d'esclavage de, d'esclavage. Je crois bien que l'Union européenne a vraiment réussi son coup. Et bravo et chapeau à ces gens-là d'avoir heurté la, la, la sensibilité des, pays africains. On a vu quand même que le reportage était parti d'un oh, Américain, une Américaine. Mais non, non, non Nina Al-Gabadin n'a jamais été une référence en matière de journaliste d'investigation. Vous n'avez pas vu le reportage qu'elle a fait sur les, filles de Chibok, ce qu'elle a fait sur les Shebab en ignorant même que dans le, dans le pays, la Somalie, il y a un pays qui s'appelle Somaliland qui aujourd'hui n'a pas une reconnaissance internationale. Non, c'est pas elle, elle n'a jamais été une référence. Selon les témoins, on l'a dit ici plusieurs fois au cours de ce même forum, que c'est-à-dire l'Europe a tenté de par tous les moyens, pas des moyens de communication puissants. Ils ont montré les, les dans les noyades pour dissuader les gens. Mais vous pouvez dissuader qui Parce que les gens, quand vous les interviewez, ils disent qu'ils préfèrent les violences des, passeurs que, de vivre dans leur pays parce qu'il n'y a rien fait, il n'y a pas de perspective. Tant qu'aujourd'hui, moi je pense que nos États africains aussi, ils sont responsables. Au lieu de dépenser l'argent aujourd'hui, de, de les faire rapatrier, quand vous les rapatriez, mais criez, trouvez les moyens pour, pour fixer ces gens-là, ces gens-là, à travers des activités génératrices de revenus, pour qu'au moins ils ne soient plus tentés. Quand les gens vont c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir. Voilà aujourd'hui, l'Europe a réussi. Mais ce que Gary a dit, ils vont retourner. Ils vont retourner. est-ce que, ces gens-là, dont vous êtes sûr qu'ils vont retourner, est-ce que ces gens-là, même si on leur crée des activités, ils vont rester Mais créer les activités. Parce que on en a vu déjà, quand la Côte d'Ivoire, quand ils sont rentrés, quand on, on les a demandés, parce que vous savez, les pays n'ont pas les mêmes réalités économiques. Quand ils sont rentrés, on a dit, OK, ceux qui ont vraiment des projets, vous pouvez les présenter avec l'aide du, gouvernement et des agences onisiennes. Et moi, je ne comprends pas ici à quoi jouent les agences onisiennes. Vous aidez seulement à rapatrier les gens, mais vous n'aidez pas le gouvernement à, mettre en œuvre, à, mettre des projets pour fixer ces gens-là. Or que vous le comprenez, parce que c'est ce droit-là que les Européens veulent coûte que coûte. L'Italie, ça a été prouvé combien de fois Avant même le reportage de France 24, il y a des journaux français qui ont dit, qui ont rapporté que c'est l'Italie qui finançait des, groupes armée en Libye pour torturer les gens. Et aujourd'hui, les Nigériens, ils vont vous dire que, mais comment un Nigérien, moi j'ai eu un Nigérien avec qui je causais. Il m'a dit que depuis avant l'ère de Kadhafi, il était là-bas. Mais il n'a jamais entendu un marché parce que lui, le reportage, c'est par ici qu'on lui avait envoyé via WhatsApp. Et lui, la question qui s'est posée, mais elle a dit à Tripoli. À Tripoli, Tripoli, c'est vague. De quel côté de Tripoli elle dit à la périphérie. Il y a combien de euh, côtés de la périphérie C'est pour cela, eux-mêmes, ils disent que. Mais il y, a, des pratiques qui existaient. Par exemple, les gens qui financent vos voyages, votre déplacement de votre pays d'origine à la Libye, vous arrivez là-bas, eux, ils vous donnent, ils vous trouvent un boulot, vous allez travailler et par votre pays vous, allez rembourser l'investissement qu'il a fait pour, vous pour vous faire venir à la Libye. Ça, c'est des pratiques. Et le caractère violent des Arabes, ça, c'est connu de tous. Mais quand même, vendre on dirait qu'on est, on est, euh, on à l'ère de l'esclavage. un dernier, un dernier mot sur ce sujet. Ce, qu'il faut retenir, c'est que, euh, pour une fois, en tout cas, on est au moins d'accord avec Gare, euh, Garé, parce qu'ils vont répartir. Mais certainement, on ne s'entend pas sur les, sur, les raisons. La raison, c'est que c'est le mal vivre dans nos pays qui vont les faire partir. 000 Nigériens qui à Agadez, par exemple, on a dit aux acteurs de la migration, euh, non, de constituer des dossiers. De constituer 1800, ils ont soumis 1800 dossiers. Sur les 1800 dossiers, 80 ont été pris. Mais les 1700 autres, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire Il n'y a pas de boulot. Les femmes de cantier qui partent, c'est la pauvreté qui les fait partir. C'est prouvé. Ils n'ont pas où cultiver. Or, c'est la plus grande ressource euh, de ce pays. Ils n'ont pas d'animaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, c'est vraiment si nos responsables, c'est bon de faire du tapage, de montrer à la télévision des avions qui ramènent les gens, mais si la personne, le mal vivre, va le chasser, avec leur, leur sac, j'ai vu, façon, ils sont habillés, les jeunes là qu'on a rabinés de la Libye. Bientôt, ils vont tout vendre, ils seront à Lambeau et ils vont reprendre le désert. Il n'y a rien à faire, ils connaissent la voie. Bien, Arimi, nous passons au dernier sujet de, ce forum, notamment la euh, Zander qui s'apprête à accueillir donc euh, le championnat euh, national, les compétitions de la 39e édition de lutte traditionnelle. Qu'en dites-vous des préparatifs de cette compétition quand on sait que cette année la fédération a été <laughs> dissoute Vous vous rappelez, à l'époque, je l'ai déjà dénoncé. Euh, j'avais dit qu'un comité qui va gérer pendant trois ans, un comité, j'ai dit au Niger, même la transition politique, quand il y a un coup d'État, c'est neuf mois, tout au plus douze mois, on a réglé cette question, on met des gens élus à la place pour continuer. À plus forte raison, une fédération sportive moi, j'ai posé la question au directeur général de sport. Il m'a dit non, c'est pour le, avoir le temps de tout vraiment euh, dissoudre, recréer, euh, réfléchir sur les textes. Mais il y a eu des tas de symposiums sur la lutte traditionnelle. Donc ça, oh, oh, malheureusement, c'est le comité qui va l'organiser euh, cette année. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact négatif sur l'organisation, la réussite de Non, dès lors qu'ils ont réservé, conservé les ligues régionales qui en réalité euh, ce sont elles qui font l'organisation. Et Azander, euh, c'est un fief pour la lutte euh, traditionnelle. Et l'ORTN va suivre. En fait, ils ont pris le même cahier, le même fond de dossier que les autres éditions pour faire. Sur ce plan, ça va marcher. Mm-hmm. Moi, mon problème avec la lutte, avec un expert de la question au Niger, peut-être le summum, une fois j'ai fait la discussion. J'ai dit notre lutte tant qu'on n'enlève pas le ministère dedans, ça va mourir. Le ministère de la, jeunesse, et de la jeunesse et des sports. Et lui m'a dit, si on enlève le ministère, ça va mourir. On n'a pas enlevé le ministère, mais la lutte est en train de mourir parce que nous sommes, de plus en plus, nous sommes en train de dégringoler au plan continental alors qu'on était devant le Sénégal. Et, or, le sport, c'est la performance. Bien. Arimi euh, Gary Amadou, euh, sur, la lutte traditionnelle qui a lieu le 25 décembre prochain à Zender. Après, le championnat, le championnat de Zender, je pense qu'il faudra forcément que euh, une nouvelle fédération soit mise en place. je ne je suis pas d'accord avec euh, le fait que le comité va, va, va ah non non non, ça, je, l'ai dit ici sur le plateau, bah, je suis pas d'accord. Je pense que dès, dès la fin du championnat, il faut créer les conditions pour la mise en place d'une nouvelle fédération. Et puis effectivement, la même mise du ministère, je pense pas que ça soit une très très très bonne idée. C'est-à-dire le ministère on dirait que la fédération ne sert à rien. Ah non, il faut qu'ils servent à, quelque chose. Vous savez, le championnat national de football est organisé par la FENIFOOT. Mais le championnat national de, de lutte traditionnelle est organisé par le ministère de la. Comment vous pouvez comprendre cela non, je suis d'accord avec Arimi. Alors, euh, garer des, des, des, pronostics, Yaye Kaka de Tawa, détenteur de, du sabre, est vous voyez quelqu'un qui peut lui reprendre Non, franchement, aujourd'hui, la lutte traditionnelle nigérienne, elle fait pitié. Je suis d'accord avec Arimi. Issa non, elle fait pitié et c'est pourquoi je ne peux pas faire de pronostic. Je ne peux pas savoir parce qu'elle a tellement, je suis d'accord avec lui, elle a tellement chuté que ça fait pitié. On est pratiquement en bas, même des pays. Cela n'empêche qu'il y ait, euh, euh, toujours un vainqueur. Oh, il, va falloir forcément un vainqueur, c'est clair. Oui, forcément. Issa moi, ce que j'ai constaté cette année, je n'ai pas senti l'engouement. Je n'ai pas senti l'engouement des Nigériens avec la tenue du Seigneur. Peut-être que ça n'a pas encore commencé. À non, non, non. Avant, avant une semaine ou bien deux semaines, on sent l'effervescence. On sent les Nigériens, l'adhésion des Nigériens. Parce que il ne faut pas oublier, c'est le sport roi de notre pays. Mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de perdre parce que la lutte, elle, dépasse le caractère sportif. C'est la culture, c'est la cohésion sociale. Ça incarne des valeurs aujourd'hui que dont nous nous glorifions étant Nigériens. Mais quand même, si on est, en train de dégringoler, il faut que nous nous arrêtons pour dire que voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. Fin du forum de ce soir. nous avons, nous avons, nous avons fini le temps qui nous est imparti. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette euh, émission. Arimia Bakiari, journaliste à la radio alternative. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Issa Madougou, journaliste à la radio télévision Ténéré. Je vous rappelle que le rendez-vous des forums en langue nationale ce week-end, demain samedi, vous serez en compagnie de Maman Ada et pour le forum en Zarma dimanche avec euh, à pour le forum Anzarma. Tous les deux traiteront de la signification de nouvelles. Bonsoir.